pratiquement moo def actualité bi démb muy sa wàll bi nga xam ne moom nga géré muy le transport euh, en particulier le train express régional bi nga xam ne mooy yaa géré patrimoine bi démb le sa ministre de tutelle ñëw na toog def conférence de presse wax ci wàll boobu noonu ñuy tàmbali di hmm. laaj par rapport ak recette yi nga xam ne am na ko démb ñu jóg ni quand est-ce que le tiers sera rentable ndax démb bi mu waxee ci biir xam dafa ni ci 100 jours yi am nañ ci 5 millions 3 milliards de recettes. 5 5 5 millions de de de passagers pratiquement environ 50 000 passagers par jour. Hmm. ci bi nous quand est-ce que le terre sera rentable. mais xam problème c'est bu euh, ah, transport. transport. transport c'est un appui à la production. Hmm. on ne vise pas la rentabilité en termes de transport transport de masse surtout on ne vise pas la rentabilité Europe Europe les recettes du trafic ne couvrent que 30 des charges 30 des charges de couvrir les recettes de trafic mais le transport est un appui à la production bu ñuy def transport bi quand même dañ koy pour améliorer la viabilité économique de l'espace espace espace bi nga mën a tardé bañ tardé influer sur les conditions de vie des populations gis populations population bi ñu wax daaw ñu mën mais avec des terres nous ngi dogee cœur. kër daaw ñu mën a gis seen nii xale avec les terres te dañuy jóg heure bi ñu waroon jóg normalement nelaw bu baax dem liggéey ñëwaat ñi nekk ci zone boobu yëpp ci l'ensemble des gardes de service nee nañu kontaan nañu ce qu'on cherche sur le sur le terre c'est une viabilité économique et sociale c'est ça qu'on cherche maintenant heureusement le terre a sa rentabilité mais dañuy def xam booy def projet da ngay def li ñuy wax analyse de faisabilité le terre dafa am déficit sur première année deuxième année troisième année à partir de la quatrième année l'ensemble des recettes couvre l'ensemble des charges. troisième année. à partir de la quatrième année. quatrième année ah. donc trois ans y c'était prévu que nous avons un déficit Nous avons ni état bi parce que vous faites aussi établi mon déf les prix c'est l'état qui dit pour Tcharoy, première zone je vais de jël 500. Mhm. pour la deuxième zone jusqu'à euh, Barni, de jël 1000 francs pour la troisième zone à Diamniadio dinaa jël mhm. Ah? Mhm. on n'a pas tenu compte de l'analyse de faisabilité, on a tenu compte que de des besoins de transport ak moyens ni pour que le terre soit un terre populaire xam nga que xam terre populaire. Mhm. parce que les mhm. ah, la population est contente et que pour faire tenir les externalités négatives de la congestion à Dakar nous font perdre 100 milliards par année sur l'économie du pays mhm. perte c'est rek tu ci conjugué qui ci gagné rek moo lay moo la viabilité économique et financière parce que yo avec les TR le BRT combiné da ngay perte boobu da nga koy wàññi ci milliards boo ci wàññee 50 milliards 50 milliards yi nga wàññi ci li ngay perte loolu fan la affaire waxati affaire rentabilité financière c'est c'est deux fois deux fois trois fois rentable mais mais si explication yi nga def l'économiste harim Bamba à travers sa page Facebook peut-être moom le contraire la joxe ndax tant que sànq rek bi muy bi muy wax mu ngi lay laaj c'est quoi la rentabilité du terre ndax moom il peine à comprendre lan mooy euh, il parvient pas à comprendre lan mooy rentabilité bi selon vous ni euh, nga ko waxee ba pare mu wax ci ni euh, yow ak Mountaga Sy bu hmm. ab directeur APEX yéen a waxoon ne le terre sera rentable à 12 pour cent mu leen di laaj. non c'est une rentabilité économique. xam nga la rentabilité économique noo koy hmm. calculer. Ah. les avantages économiques et les les les inconvénients ñoom ngay jël nga def ko en termes financiers, de rentabilité. Moi, je suis un économiste. Mhm. Sérieusement, je ne parle pas comme ça, ni J'ai mhm. un DSS de politique. Mais comme, comme, comme, occasion, là, je te dis, je te dis, la, rentabilité la, rentable, économique, mhm. tout ça, nous l'avons calculé. Nous avons fait projet. Nous avons fait analyse de faisabilité. Analyse de faisabilité, nous avons fait analyse de faisabilité financière, analyse de faisabilité économique, analyse de faisabilité institutionnelle, analyse de faisabilité opérationnelle. L'autre, nous avons fait bailleur de fonds avec. voilà je veux ce projet, voilà l'ensemble des rentabilités. Sur la base de ça, que le bailleur de fonds te dit, OK, je suis, bon, je suis confortable, li nga défini d'accord la rentabilité économique c'est de 12 pour cent moo financer. xam problème ces gens-là ils ne peuvent pas être beaucoup plus efficaces que des institutions les institutions de ce pays de, du monde pour dire « BAD dire « BID jël AFD ils ne ils pas se tromper et les plus grands économistes de ce pays de de de de l'Afrique sont dans ces institutions Vous demee foofu boo la la le truc économique la section économique Il n'y a que des doctorats qui sont là-bas. on ne peut pas les tromper. Mhm. donc vraiment des fois manque de connaissance ak gëm sa xam-xam le processus de projet ni ñu koy defee une erreur si on n'avait pas de rentabilité économique avérée constatée par l'ensemble de ces trois bailleurs de fonds nous ñu un financement non mais xam que ça ça c'est pas la discussion. non en fait en fait la différence xam nga xam nga actuellement. la la la discussion ça c'est pas la discussion xam problème mooy ça c'est pas la discussion. parce que quand même moom en tant qu'économiste en tant qu'économiste. en tant qu'économiste s'il vous plaît s'il vous plaît poser question non s'il vous plaît si poser question bi c'est c'est l'occasion. nga leeral si ça si ça l'intéressait. Mhm. si ça l'intéressait il aurait dû venir ñu ñu jóg jóg y a y a y a un comité économique. xam un projet ne se fait pas comme ça dans ce pays là sans pour autant am l'ensemble de ces analyses-là, l'analyse économique du projet. C'est ça qui te, qui te, qui te, qui te permet d'avoir le financement. Mais aucun, aucun bailleur de fonds ne va te financer sur un projet qui n'est pas économiquement viable. Mais, tu n'as pas la viabilité économique. Mais tu as la viabilité, déjà, il n'a pas pris beaucoup de choses. Je te dis, mm. on est en train d'économiser 100 milliards sur les pertes économiques, sur les externalités négatives de la conjonction du terre. Mm. Est-ce que mon Dieu ne 100 milliards mais il faut ah. prendre il faut prendre non c'est c'est vraiment très c'est une c'est une c'est une restriction. mais en fonction euh, de recette par exemple moi sax mu la laaj. non bu loo waroo recette yooyu. xam nga xam nga waroo jël recette ah. parce que dans un truc de transport. il faut prendre les gains. Mm-hmm. les gains de productivité bi am parce que le transport est un appui à la production. les gains de productivité li nga doon perte ci économie il faut l'additionner, il faut additionner les recettes il faut additionner, il y a beaucoup de choses qu'il faut additionner. Il faut additionner quand même tout ce qui est induit par le, par, par le transport. Par exemple, le transport, le terre là, les gens sont, sont en train d'aller s'installer. Plus loin, plus loin, mais de, s'installer plus loin mhm. avec le transport, avec un foncier réduit. Bon, que c'est des, gains. Mais mais déjà, dans un investissement de, 780 milliards, vous nga xam 780 milliards lañ ci dugal ñu jaay Sénégalais que le terrain serait rentable. oui économiquement suñu en 100 jours ñu def recette de 3 milliards. non c'est-à-dire les recettes les recettes les recettes je te dis dans tous les pays. Mm-hmm. dans tous les pays mm-hmm. en France qui sont efficaces en transport les recettes ne couvrent que. 30 après 30 des charges. donc c'est-à-dire c'est-à-dire recettes yooyu. Mm-hmm. c'est vraiment ne rien comprendre. en matière de projet que de prendre ces recettes-là pour parler de, de, de, rentabilité. Parce que ce n'est pas ça qui fait la rentabilité. Donc, il y a 12%, 12 Mais 12%, on a, on a, on a pris l'ensemble des, des avantages mm-hmm. que procure la terre et l'ensemble des charges, des inconvénients, des avantages. la rentabilité économique. La rentabilité économique, l'économie, si vous voulez calculer la rentabilité économique, parce que le problème est, voilà, le projet. Le président lui dit que poser, est-ce que le projet répond à un besoin spécifique Projet, moi, solutionner un problème Il y avait un problème à Dakar parce que nit dañ fiy il y a la conjonction on perd de l'argent sur Dakar il faut un truc économiquement viable nous transférer les activités à Diamniadio à Dagakholba et à Tuk, il faut les relier par un transport efficace et de terre vient en complément de l'autoroute à pour yombal dem ak tu as vu donc nous répondons ci kooku kon ñëpp soxla xam nañ soxla nañ terre est-ce que le terre est économiquement viable on fait un dossier pour démontrer que le terre est économiquement viable. Est-ce que le terre est financièrement viable C'est-à-dire l'ensemble des recettes, est-ce que nous supporter l'ensemble des charges On fait un dossier. Je te dis que d'ici, d'ici 4 ans, d'ici 4 ans, e année, on a une rentabilité financière. C'est-à-dire l'ensemble des recettes du terre peuvent couvrir l'ensemble des charges du terre. Charges terre, Maintenant, maintenant, maintenant, au-delà, sur les 3 ans, il y a un déficit et le déficit et dans, est mis dans le, dans le, compte d'exploitation prévisionnelle, le déficit sera couvert par l'État. Tout ça, on a prévu. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, Mais il faut insister mm-hmm. sur la satisfaction de la population. La population, population bi population les communicateurs les juges la population on est content ñi ngi président Macky Sall

xam nga cher c'est relatif cher. mais si mais xoolal cher c'est relatif xam nga la moo. xam nga lan moom bu ko defee boobu dafa laaj soo ko bëggee yóbbu ko day métti ndax la sénégalais bi nga xam ne bu ñuy compter ndax bi ngeen di wax terre bi da ngeen ne c'est un terre sociale donc bu ñuy xool. ci terre sociale mais actuellement c'est des c'est des prix c'est des prix sont sociaux. les prix dañoo cher. non. mais tout ça dit par exemple xam nga plus social xam nga plus ça am nañu def enquête dañuy def enquête d' acceptabilité man mii ñibi kër masar man mii ñibi kër masar mille francs non mille francs lay fay dafa cher non kër masar kër masar waaw di nga fay mille francs xam nga c' est pas cher parce que allez retour c' est deux mille francs bu uh-uh. yàgg bu yàgg bu yàgg boo daan dem kër masar avec avec les taxis clandos da ngay fay plus. avec avec les taxis bokk da ngay fay jaga njaay la ñuy jël il paye trois francs da ngay day fay mais te le avec le tour la valeur du temps xam nga la valeur du temps xam nga c'est la des notions économiques yi nga xam ni boo ko boo ko amul di bëgg juger benn affaire da ngay la notion du temps le temps c'est de l'argent ou bien mhm. le temps c'est de l'argent mais, la notion la, notion la notion du temps du gain de temps et de la notion du gain de confort ñu defal kii actuellement le train c'est un train social si ce n'est pas un train social nous fees des tout le temps. parce que des y' a pas de surcharge. parce que nous avions prévu. nous avions prévu personnes par train. par train Boudem, train 4 rames 4 wagons là, bu dem mais des fois fesses, mais parce que des fois on a un programme militaire pour um mon 6 personnes par mètre carré c'est simple c'est un transport de masse. mais respectez-vous. il faut que nous sachions, si non mais des fesses, 6 personnes six personnes par mètre carré voilà un mètre carré 6 personnes. des fesses, d'abord faut fesses. mais de mais de surcharge. Ah. parce que terrain de surcharge. Mm. parce quau au delà du au delà du au delà du nombre de passagers qui aura y' a une alerte pour mm. dire qu'il y' a une surcharge de poids comme boo duggee ci benn ascenseur mu am surcharge de poids dala koy dala koy. dala koy signaler dala koy signaler. donc le terre a été conçu comme ça Il y' a pas de surcharge. parce que transport de masse transport de masse du nit ñi toog rek de. Mhm. ah ku njëkk a ñëw. boo amee place nga toog. mais bu ñuy jaay projet boobu ñu woon ni taxaw bi dafay am de. si mooy bu ñu koy on a jamais dit. on a jamais dit man maa man maa j'étais dans la conception du projet. parce que mhm. mais bi ñuy communiqué là j'étais ministre j'étais ministre du secteur. effectivement man nous ma gis ma communiqué ni nit ñëpp dañuy toog. Mhm. on a toujours dit. un train bi nga xam ne place assise yi. confort nit ñi place place place assise yi